auditeurs du studio Kalangu, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et vous l'avez compris, c'est l'heure de notre émission Le Niger, c'est Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed avec moi, Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou. Bonjour Habiba, bonjour également à la régie. Pour le programme de l'émission, nous débutons avec les flèches d'information comme d'habitude. Aujourd'hui, la rubrique hebdomadaire est consacrée à la santé, suivie de l'écho des régions à Niamey. Après, il y a le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et la page sport. Nous recevons comme invité Habib Toumala Monzo. Elle est la responsable du centre de contact communautaire au CICR. Avec elle, nous allons parler du fonctionnement de ce centre. Le Niger sur Kalangu promet la musique nigérienne, donc nous allons vous proposer des belles sonorités 100% nigériennes. Top, c'est parti. Tout de suite, les flashs d'information avec Habibou Garba. Bonjour Habibou. Bonjour Habiba, bonjour euh, Salamatou. Bonjour Habibou, quelles sont les nouvelles ce matin le Niger célèbre ce jour 24 euh, avril la journée nationale de la concorde, une date commémorative de la signature des accords de paix qui mettaient fin à la rébellion qui sévissait dans le nord du pays. Ces accords ont été signés le 24 avril 1995 sous le signe de la flamme de la paix entre les autorités nigériennes et le mouvement de rébellion. Cela a permis dès l'année suivante l'adoption de la décentralisation comme mode de gouvernance à la base. Également, ces accords ont favorisé la création d'une haute autorité à la consolidation de la paix pour cultiver l'esprit de la paix et des dialogues dans le pays une institution qui multiplie les actions en faveur de la paix et la cohésion sociale. Plus de 15 000 candidats pour le brevet d'études professionnelles à BEP et le certificat d'aptitude pédagogique CAP ont entamé depuis hier les épreuves physiques et sportives au titre de l'année 2024 sur l'ensemble du territoire national du Niger. C'est Dr Elisabetta Sherif, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales qui a présidé la cérémonie de lancement officiel au stade régional de Difa ainsi qu'au lycée Idrissa Alaouma pour les candidats dispensés. Restons à Difa où le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, gouverneur de la région de Difa, s'est rendu hier après-midi au centre hospitalier régional où sont prises en charge, où sont en charge cinq soldats blessés d'une attaque dans la commune de Lada. Cette attaque a été perpétrée par les présumés éléments de Boko Haram ce mardi sur le site des travaux de réhabilitation d'aménagement hydro-agricole de l'ADA d'IFA. Merci Habibou. Chers auditeurs, comme l'a annoncé Salamatou à l'entame de l'émission, nous sommes avec Mme euh, Madame Habibotou Malamanzo, responsable du centre communautaire au CSR. Bonjour Habibotou. Bonjour Habiba. Merci d'être avec nous ce matin. Mais avant, nous allons écouter un groupe Bérekoy qui nous vient avec ses titres Niger Espoir d'Israël. Niger, espoir du Sahel, c'est le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement, chers auditeurs. Signé Berekoye, un groupe de rap des années 2000. Il chante les merveilles du Niger, un pays accueillant, plein d'hospitalité malgré. Un pays de Niger, pays avec une jeunesse dynamique, un peuple guarantee Les Morceaux, Le Niger Espoir, retour au studio avec notre invitée, Madame Habibatou. Vous êtes la responsable du centre communautaire au CICR. Faites-nous une brève présentation de ce centre et les objectifs qui lui sont assignés. Merci euh, Habiba. Alors le centre de contact communautaire est une ligne d'assistance téléphonique, c'est-à-dire un numéro d'appel gratuit qui est dédié aux personnes affectées par le conflit armé, catastrophe et autres euh, situations de violence. Alors le centre CCC, euh, en abréviation, nous l'appelons CCC, mhm. est mis en place pour améliorer Hein, la qualité des programmes et services du mouvement de la Croix-Rouge au Niger. Et comment ils fonctionnent et surtout comment bénéficiez-vous de ces services alors, il faut d'abord dire que le numéro euh, de ces centres, c'est un numéro particulier qui est court, composé de quatre chiffres 5, 6, 6, 5, donc c'est-à-dire 56, 65, afin de faciliter la mémorisation et l'accès aux personnes et des communautés dans lesquelles nous travaillons. Alors les communautés de ces zones euh, appellent ce numéro pour poser des questions faire des réclamations, Quelles par faire des euh, suggestions, par exemple à Difa, nous travaillons à Tilaberi, à Tawa, à Maradi, un peu partout au Niger, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un numéro pour l'ensemble des mouvements de la Croix-Rouge, donc pas exclusivement CICR. Mais est-ce que ces numéros-là, c'est affiché partout alors, le numéro n'est pas euh, affiché partout, mais le numéro est communiqué pendant la mise en œuvre des activités. Donc à chaque fois que les équipes sortent sur le terrain, ils profitent euh, durant les premières minutes pour sensibiliser ces communautés sur euh, l'usage de ce numéro. Donc euh, au-delà de ça, il faut dire que ce centre dispose des personnes qui sont dédiées, qui sont en charge de la gestion de ces appels. Mhm. Donc, il arrive qu'on reçoive des appels qui sont vraiment simples, donc où ces opérateurs peuvent, à leur niveau déjà, traiter et clôturer eh, les informations ou les retours d'informations reçus directement. Mais il arrive que deux fois qu'on reçoive aussi des informations ou des retours d'informations qui sont complexes et là qui nécessitent l'implication des spécialistes des différents programmes et projets et ou des responsables même des programmes pour euh, assurer un meilleur suivi et une prise en charge de ces, de ces cas. Alors, ce qu'il faut aussi noter dans le fonctionnement de ces centres, euh, les appels sont traités de manière confidentielle. Donc, c'est-à-dire l'appelant peut ne pas s'identifier s'il désire garder euh, l'anonymat. Ah, et, c'est aussi euh, une ligne vraiment qui est ouverte à toutes les personnes hein, qui soit bénéficient directement des activités et projets de la Croix-Rouge et ou qui ne bénéficient pas. Donc, que la personne soit associée ou pas aux activités eh, de la Croix-Rouge peut utiliser ce numéro d'appel gratuit. Donc, grâce à ces opérateurs, vraiment, ces personnes sont écoutées, orientées et reçoivent des informations et eh, appropriées en temps opportun sur les programmes et projets offerts et déployés par la Croix-Rouge. Concrètement, quel est le profil des gens qui sont dans les centres alors, nous avons euh, actuellement deux personnes, une femme et puis un homme, en tout cas, qui assure euh, la gestion de ces appels euh, au quotidien, donc du lundi au vendredi, par exemple, de 8h30. Et la ligne, elle est déjà ouverte jusqu'à 13h, donc heure de pause. Et là, ils vont en pause et ils reprennent à partir de 14h jusqu'à 16h30. Donc, en dehors de ces horaires, euh, les usagers ou les personnes peuvent aussi laisser un message vocal hein, à travers euh, la messagerie, la boîte de la messagerie en appuyant sur la touche dièse de leur téléphone après le message de notification et d'absence. il faut dire que ces deux opérateurs sont aussi accompagnés par un superviseur qui est effectivement Habibou, que nous avons ici donc, euh, qui essaye de suivre le bon fonctionnement du centre de contact communautaire. Voilà, merci pour cette euh, première partie de notre entretien. Chers auditeurs, nous allons encore souffler en musique avec Difa Ingla avant de continuer nos échanges. On kiffe.

kai zumunci aladunmu ne aminci shi ko gado ne za su hoto da jabba mata su zo da sari yau ranar salace difa gata ta sake amfan dushe ti maganga difa la uga mini ganga composé à l'occasion de la célébration de la fête tournante du 18 décembre 2021 qui s'est tenue à Dufa. Les morceaux a été produit par un collectif composé d'une dizaine d'artistes chanteurs nigériens. À travers cette chanson, ils ont fait danser la population de Dufa et de tous les pays en général aux colère de la région de Dufa. Santruma, Salantere. Divan Deruyo, Divan Deruyo. vient de nous rejoindre, je le rappelle, vous écoutez notre émission Le Niger sur Kalangou et nous sommes avec Habibetou du CICR, notre invitée du jour. Elle est la responsable du centre communautaire au CICR. Alors Habibetou, quels sont les principes qui guident le fonctionnement du centre de contact communautaire Merci euh, Habiba. Donc euh, il faut dire que euh, le centre de contact communautaire est guidé par un certain nombre de principes, notamment la confidentialité et l'impartialité dans euh, le partage d'informations et le traitement des retours d'informations. Donc, euh, comme vous le savez, les retours d'informations peuvent aussi euh, avoir des informations qui sont sensibles. Donc, pour la sécurité aussi de ces personnes, il faut assurer un minimum dans ce sens. De l'autre côté, on peut aussi parler de, de la sécurité toujours Hein, de ces personnes pour éviter des représailles. Donc, euh, il faut vraiment s'assurer que les personnes qui vont appeler ce numéro d'appel gratuit ne subissent pas euh, d'autres effets ou conséquences négatives. Et enfin, il faut dire aussi que le suivi, le, le, fait de répondre aussi au au, retour, à ces retours d'informations de ces appelants et permet aussi de garantir le bon fonctionnement de ce mécanisme. Parce que si aujourd'hui les communautés contactent ou appellent eh, cette ligne de la Croix-Rouge et que par la suite il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de, de, réponses par rapport à leurs préoccupations et, ou des ajustements et des adaptations qui ont été faites grâce à ça, et cela pourrait aussi euh, euh, constituer un dysfonctionnement ou un obstacle par rapport et au fonctionnement de, ce, de cet outil. Effectivement, c'était même ça ma question. Est-ce que ce centre répond même aux attentes de la communauté Et maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans les activités de ce centre Ok, euh, peut-être je vais revenir sur euh, l'attente aux communautés parce qu'il faut dire que cet outil a été aussi identifié grâce à la consultation de ces communautés lors d'une étude de perception que nous réalisons en tout cas de manière périodique. Et dans ce sens, euh, aujourd'hui, donc, on peut dire clairement que c'est un besoin déjà de la communauté qui a été exprimé par cette même communauté que nous avons essayé de mettre euh, tout simplement en exécution. Et la preuve, si je peux le dire, aujourd'hui, c'est sa fonctionnalité. Donc, à titre illustratif, au cours de l'année 2023, nous avons traité 2569 retours d'informations. Et ces retours d'informations traités nous ont quand même permis hein, aujourd'hui euh, de favoriser l'inclusion des différents groupes dans les zones ou les sites où nous travaillons, de faciliter aussi l'accès aux services de santé, et aux services de rétablissement des liens familiaux, mais aussi d'avoir des suggestions concrètes qui nous ont aidés à améliorer la qualité de certains de nos programmes. Et mieux encore, on reçoit souvent aussi des alertes sur des comportements inappropriés, ce qui permet là aussi de traiter certaines réclamations et d'éviter que des problèmes ne s'aggravent. Donc, en bref, vraiment, euh, ce retour retours d'informations, euh, je peux dire, ça répond aux attentes des communautés et ça nous permet aussi d'adapter nos activités et projets au sein de la Croix-Rouge un dernier mot pour nos Non, il ne nous a pas parlé des, difficultés, Effectivement. <laughs> Donc, je pense que l'une des difficultés majeures auxquelles euh, aujourd'hui le centre est confronté, c'est l'accessibilité aux personnes qui nous contactent en dehors des heures de service. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette possibilité d'appuyer sur la, sur la touche dièse et puis passer votre message. Et quand les équipes prennent service, ils vont vous recontacter s'ils ont besoin d'informations ou pour vous assurer qu'ils ont reçu quand même le message que vous avez lancé. Donc là, on a constaté que, euh, en tout cas, disons 70% quand on fait ces retours-là, on n'arrive pas à joindre les gens. Et cela aussi pourrait s'expliquer effectivement par la non-stabilité ou l'instabilité des réseaux téléphoniques, surtout dans des zones qui sont éloignées. Vous savez, dans les zones rurales, surtout, les gens, des fois, quand eux, ils veulent appeler, ils se déplacent juste vers un endroit où le réseau il est plus favorable. Et après, le, besoin, ils retournent chez eux. Et mm. là, il n'y a plus de réseau. Donc, ce qui fait que nous, quand on veut rappeler, il est un peu difficile euh, euh, mm. souvent de les avoir à 100%. Donc ça, c'est une des préoccupations que nous avons. Ok, Habiboto, un dernier mot pour nos auditeurs. Alors, un dernier mot, là, je dirais, j'invite vraiment euh, les personnes, surtout des zones dans lesquelles nous travaillons, je les encourage à nous contacter à travers le numéro d'appel gratuit, que les le 56 65 L'appel est gratuit pour les personnes qui vont nous appeler avec leur euh, réseau RTL, Zamani et Move. Donc pour ceux qui appelleront avec le réseau euh, Sahelcom, malheureusement, euh, pour le moment, ils se verront facturés parce que la gratuité n'est pas encore effective. Donc euh, voilà, en tout cas à travers ce mécanisme, euh, le mouvement de la Croix-Rouge au Niger améliore son accompagnement, ses programmes et traite chacun avec dignité. Et merci beaucoup Habiboto d'avoir répondu à nos questions. À la prochaine pour d'autres questions en lien avec le centre du contact communautaire. Bonne journée à vous. On revient après juste une courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalangou consacrée au sujet santé. Les méthodes contraceptives, c'est de cela qu'il s'agit. Elles permettent l'espacement des naissances, le planning familial Écoutons Thomas Odette, sage-femme responsable du centre de santé Taziki. J'espère que j'ai bien prononcé. De Tawa. <laughs> Voilà, elle est au micro de Habiba Ahmed. Mata suna zuwa suna ɗaukar sarari tsakanin haifuwa. Wannan maganin hutu muke ce musu a nan likita maganin hutu saboda mace ta sa tsarari tsakankanin haifuwar ga da haifuwar da za ta yi gaba ta samu futa ma'aifar ma ta huta wannan fannin ma muna samun mata kuma yanzu ma sabon tsallon da ya shigo ma mace da ta aihu ma ba sai mata ta yi gidanta ba daga nan ma kawai ana iya a yi hira da ita ta zaɓi wanda take so kafin mata ta yi gida kamar a cikin wani lokaci haka yake samun espasiman ake so eh abin da dai ake so in mace ta gane a kaɗan ta samu shekara biyu tsakanin aifuwar ta wagga da ɗoka cikin gaba kowace yanzu dai alhamdulillah ta gane cewa kiwon lahiya daga nan yake warawa saboda mi ke mace kin aifi ɗan ɗanki damun haida aka yi wata tara rukon ciki bayan rukon ciki aka zo aka yi naƙuda da ket aka aihu kenan ana so kuma ta bada nono shekara biyu nonon gabanta har tsawon shekara biyu in dai ta yi haka za a taimaka mata da maganin futu wanda zai sa ko ta koma gidanta lahiya laule bayan arba'in ba wani sabon ciki za ta ɗauka a lokaci kalilan ba saboda ɗanɗanta shi samu shi warware shi girma sosai ba tare da cututtuka sun haddabe shi ba saboda in ta yi mazan ɗaukan ciki mace ba tare da ɗanɗanta ya warware ba ba tare da ita ma jikinta ya kamu ba saboda ita ma'aifa kafin ta koma wajenta sai an samu kalilan wata shidda kuma kamin jikin mace fara daidaicewa za ta ci ta sha hankalin ta kwance kuma hankalin mai gidanta ma kwance saboda kowane namiji shi ma baya so ya zo gidan shi ya iske ga kazamta ga yaro baya da lafiya ga uwa ma ita ma isasshen lahiya ba ga gare ta ba koko kulliyomi likita dai ne ake zuwa yaro yau ba ya da lahiya gobe ba ya da lahiya a rubuta musu magunguna su sai wannan gobe su sai wannan to duk wannan ma yana samun kariya in dai hal dai ta ɗauki maganinta na hutu hankalinta za ya kwanta za ta kula da ɗanɗan nan nata na gabanta sai ta ga ɗanta ya walwale yana gudu ko ina ga ƙarfin jiki tsab ya girma kamin ta ce kuma ta shiga harkar neman ciki. to ya ne suke magungunan ga na kariya. magungunan nan da yawa ne kin gani akwai wanda 'yan kwayoyi ne wanda mace za ta ringa sha a lokaci guda kai gayi ne kamar in la'asar take son son su kowane la'asar ya ta sha kwaya guda wanda muke ce ma pilul wannan mata sun san shi na biyu akwai allura wadda muke yi ta wata uku zuwa wata uku ko ko wata biyu zuwa wata biyu wanda ake ma mace shi mata kariya na uku akwai karan damtse wanda muke sa a kasan kwatal mace daga cikin hannunta akwai na shekara uku akwai na shekara biyar wanda karan damtsen biyu ne akwai kuma wanda roba ta mara wadda muke sa cikin matancin mace can cikin ma'aifarta babu wata matsala inda tana amfani da shi za ta gani shi ma ya mata kariya bisa kan samun ciki nan da nan bayan haifuwa kenan kalolin nan duka haikin zo mun yi hira da ke mun auna ki magani wanda ya daidaice da ke dugwana ki fara aiki da su kuma alhamdulillah gaskiya mace da in tana aiki da maganin hutu zaki gani babu wani tashin hankali he in ta yi niyya lokacin da za ta haifuwa sai ta ajiye wannan magungunan kuma hallo sai ki ga nan da nan Allah ya bata kuma hallo wani cikin yanzu magungunan ga mata sai sun yi shawara da mazan su ko ku da kanku kuke yi musu eh kin taɓo wani fanni wanda muna janyo hankalin mutane sosai bisa gare shi bisa kan harakar eh, kiwon iyali saboda mace ba ita ɗaya take ba ko ba gaskiya ba da mai gidanta kenan in mai gidanta bai fahimci amfanin ɗaukan maganin hutun gaba sai ki gani wata rana an samu matsala kenan dole mace muna janyo hankalinta da cewa sai da gamsuwar mijinta za ta ringa zuwa ɗaukan maganin hutu saboda mi saboda in bai ba da haɗin kai ba kin gani abin ba zai ci gaba ba kuma ba za a ci mai ba saboda shi in ya gane kiwon lahiya ne ake ta gidan shi alhamdulillah shi ma za shi ba da ƙoƙarin shi sai ki ga an yi cikin lafiya lau. muna iya ku gaya mana menene avantage eh to aiki da maganin hutu na farko kin gani yana ƙara nono na biyu yana sa zuba jini shi rage ga mace inda tana baikon nono tsantsa haka kenan yana sa kuma a ma'aiwa ta koma wurin ta nan da ya kamata kuma shina taimakon ta bisa kan kiwon lahiya haka na jikinta Merci Habiba pour ce reportage, chers auditeurs. Notre tour en musique avec Matan de Albichiri de Chiro. Kawye est le titre de la chanson que vous êtes en train d'écouter du groupe Abdul de Tiro. Elle chante pour les droits de la femme rurale. Dans cette chanson, elle attire l'attention du dirigeant pour alléger la souffrance de ces femmes et de les mettre dans leurs droits, à savoir l'éducation, la santé. En résumé, elle chante pour le bien-être de la population, de la femme rurale. auditeurs, restons à Niamey pour l'écho des régions. Vous êtes à Niamey ou des passages, vous nous écoutez à travers la radio Scout 90.9 MHz et la radio Tambara 107 MHz. Alamine Ouachar, dans son reportage, évoque le civisme et le patriotisme des Nigériens pour le développement du pays. Le civisme est un facteur qui s'impose pour le développement d'un pays. Certains ont des comportements qui ne nous honorent pas, surtout hors de nos frontières, explique Adamou Dizoué. Selon lui, le développement du Niger, chacun doit commencer par s'impliquer en changeant de comportement. Le changement de comportement, c'est un facteur euh, impératif pour euh, un développement, pour un État. Euh, dès qu'il n'y aura pas de changement de comportement dans un État, c'est impossible qu'on ait un développement durable nous avons une culture qui n'est pas liée au développement. L'espace est toujours sale et même à l'extérieur du Niger, on dit que le Nigérien est sale, mais ça fait mal. Quand euh, on part au Hajj, le Niger est remarqué. Quand le Niger est parti à l'extérieur, on le connaît. Manger et jeter sous le goudron. Pour le Nigérien, ce n'est rien. Quand tu remarques la, la circulation, les Nigériens sont intolérants. Ce qui nous reste maintenant, il faut que le Niger change de mentalité. Il faut qu'il cultive un esprit de développement dans sa tête pour que nous puissions développer, accompagner nos actuels dirigeants. Depuis un certain temps, certains Nigériens mènent des actions citoyennes. Selon Ibrahim Pagna, sociologue consultant, l'enseignement de l'éducation civique serait la clé à la base pour renforcer notre citoyenneté. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que le changement de comportement passe nécessairement par la préservation des valeurs sociales qui constituent déjà pour nous des acquis. Le changement de comportement passe aussi par la culture civique et citoyenne. Il faudrait que dans nos foyers et à l'école que nous mettions l'accent sur la culture civique et citoyenne. Le manque d'éducation et de culture civique affectent et menacent négativement la et la cohésion sociale. Pour ne pas arriver à cette situation, Ibrahim Banya, chacun a le devoir d'assainir son entourage pour mieux vivre. Aujourd'hui, quand vous prenez le cas de notre pays, on assiste d'abord dans les villes et villages à un comportement qui ne rime pas avec la foi religieuse, parce que la foi même en tant que telle encourage la propriété. Or, qu'est-ce qu'on constate, en tout cas dans la plupart des localités, que ce soit dans les villes du Niger ou dans les villages, les gens ne prennent pas le soin de rendre hygiénique euh, les devantures de leur maison ou même à l'intérieur de leur concession. Alors que si chacun se permettait, se donner euh, la peine de rendre salubre son espace environnemental dans les concessions ou à la devanture des portails. Et nous allons finir par remarquer que toute la ville ou tous les quartiers va finir par être propre. Tout le monde doit, dans sa petite parcelle de responsabilité, apporter sa contribution pour que la discipline, la bonne éducation, les bonnes mœurs, les bonnes valeurs soient mises en avant. Une fois que tout le monde arrive à mettre la main dans la pâte, je pense que nous allons tendre vers un bon modèle, un exemple de société. Néanmoins, on a besoin de la contribution de tous pour y parvenir, chacun à son échelle. Chers auditeurs, c'était un reportage de Alamine Ouachar. Espérons que c'est la fin des actes inciviques dans les grandes villes du Niger. On revient après la pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Nunca la À présent, sur le rendez-vous du notre chroniqueur e-sportif Hassimi Gourouza est avec nous. Bonjour Gourouza. Bonjour Sali, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Nous irons une fois encore euh, dans le département de Birning pour parler de la pratique euh, de la boule. Ce sport euh, de pétanque est pratiqué dans cette localité par les fonctionnaires après une journée de travail bien accomplie. Un cadre de retrouvailles en quelque sorte le club de pétanque de Bernin a été créé il y a une quinzaine d'années et se développe petit à petit selon Mohamed Al-Mokhtar, membre euh, du club. Bon, la pétanque c'est une discipline que il y a très longtemps ici on pratique ça. Donc et en même temps on participe à beaucoup de, tournois au niveau de la ligue et au niveau national. Aux différents championnats, on, on va, on va jusqu'au deuxième tour et après on revient à la consolante. Et c'est comme ça. On vient, on s'entraîne. Le week-end, on vient le matin et le soir. les jours ouvrables, on vient toutes les soirées. Bon, pour le moment, ici, on n'a pas de filles. Au niveau régional, Hein? Même là, le week-end passé, on a invité Dosso. Ils sont venus, on a fait une petite compétition dans la joie et le soir, tout le monde s'est disparu. Et c'est ainsi de suite. Un jour comme ça, Gaïa peut nous inviter aussi. On se rendra à Gara, on partait, on joue dans la symbiosité et puis tout le monde est content, on revient. C'est tout. Oui, c'était là Mohamed Al-Mokhtar, membre du club de pétanque de Birning Gauri quittons le pour se rendre à Difa où des activités sportives mensuelles civilo-militaires se déroulent. C'est une initiative des autorités de la région de Difa qui se déroule chaque fin du mois. Ça a repris après un arrêt à cause euh, du mois béni de Ramadan. Cette activité sportive mensuelle regroupe l'ensemble des corps de défense et de sécurité les cadres techniques régionaux, les humanitaires et plusieurs autres couches socio-professionnelles de la région de Tifa. Objectif principal, le renforcement de la cohésion sociale et la solidarité entre les FDS et la population. Voilà pour le sport et à demain. Merci Gourouza. Dans la partie portrait, aujourd'hui, zoom sur une jeune journaliste, une de nos stagiaires à la personne de Sekina Gazibou. Maria Maïdé s'est entretenue avec elle. Il est rendu au studio par Habibou Garba. On écoute. Terre Noire et élancée. Sakina Gazibo est fraîchement diplômée en journalisme. Après son bac, elle s'est inscrite sans hésitation aucune à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication éthique actuel ESCOM. C'est quand elle a commencé ses stages sur le terrain que la jeune journaliste est tombée encore plus amoureuse de ce métier. C'est un métier qui m'était beaucoup à cœur. Dès au début, en fait, j'adore le journalisme, ce qui m'a poussé à aller au niveau de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication. Au début, je ne savais pas en réalité ce que c'était que le journaliste, mais une fois là-bas, j'ai beaucoup appris, ça m'a motivée. Avec ma curiosité, j'ai eu à faire plusieurs médias pour des stages et j'ai beaucoup approfondi mes connaissances jusqu'à j'ai pu finir. Je suis en train de travailler au niveau d'une agence de communication jeunesse production où je suis chargée d'assistante communicatrice. Je fais des reportages, je rédige des articles, je fais des images. Voilà. Il y a deux ans, Sakina a intégré l'équipe du studio Kalangu pour un stage de trois mois. Cette immersion lui a permis de connaître les réalités du terrain en tant que journaliste. À Kalangu, j'ai beaucoup appris j'ai rencontré des, vraiment des chefs qui sont vraiment disposés, des collègues qui sont vraiment disposés, qui m'ont beaucoup appris sur le métier du jeu Non pas seulement ce que j'ai appris à l'école, parce qu'à l'école, on nous enseigne juste les bases. Maintenant, le reste, c'est sur le terrain. À Kelong, j'ai beaucoup appris. Ils m'ont montré qu'est-ce qu'un journaliste, comment doit être un journaliste, aller sur le terrain, chercher les informations, venir les traiter, tout ça. Vraiment, je dirais qu'à Kelong, j'ai beaucoup appris. Chaque passage, je dis toujours Kelong, Kelong, parce que je garde vraiment quelque chose de positif quoi, au studio Kalangu que je ne pourrai jamais oublier. Pour Alassane Abdou, le directeur en chef du studio Kalangu, Sakina Gazibo est un modèle à suivre. Sakina Gazebo fait partie de nos stagiaires. Sakina d'abord, c'est une étudiante déterminée, déterminée à apprendre, déterminée à comprendre, déterminée à avancer. Sakina, quand elle a commencé son stage au début, euh, on lui a collé toutes sortes de, de, trucs, notamment des noms. On dit, euh, euh, voilà, elle est ceci, elle est cela. Mais pourquoi on dit ça Parce que tout simplement, elle veut tout apprendre. Parce que tout simplement, elle veut être partout. Parce que tout simplement, elle se bat pour comprendre les choses. Elle ne se fatigue pas. Elle est prête à participer à des reportages, quelle que soit l'heure. Pourquoi tout ça C'est pour vraiment avancer, comprendre et une fois fini son message, qu'on dise que vraiment, voilà, telle personne qui est venue pour telle chose et elle est arrivée à le faire. Le frère aîné de la jeune journaliste dit être fier du travail que fait Sakina sur le terrain en tant que journaliste avec une détermination incroyable. Abdurazak Sadou Je suis extrêmement fier de ma sœur et de son parcours en tant que journaliste. Depuis qu'elle a décidé de se lancer dans ce domaine, elle a montré un engagement et une passion incroyables. Euh, ses études en journalisme lui ont donné une solide base théorique, mais c'est euh, son travail sur le terrain qui fait vraiment plaisir à voir. Et je veux ici euh, profiter euh, de cette occasion pour vraiment féliciter euh, son école qui fait des merveilles de la formation de ses étudiants dans ce domaine. Et je veux aussi vous féliciter, Studio Kalangu, pour faire la promotion de ces jeunes journalistes-là. Désormais, sa licence en journalisme en poche. Aujourd'hui, Sakina Gazibo est assistante communicatrice dans une maison de communication de la place. Par ailleurs, elle continue ses études en master communication de crise. Chers auditeurs, c'était un portrait réalisé par Mariam Adé. Direction Gaïa pour notre dernière balade musicale. On écoute Tomba de Gaïa avec le titre Zainabou Zongo. Zainabu zango matiri madiriyate Zainabu zango matiri madiriyate empanadas చూడే కన్నా సేనా ఇది చెప్పిన ఇల్లు mora mora bana Zongo de Tumbagaya, chers auditeurs, les Niger sur kalango se poursuit avec la chronique Loti. Et la rubrique Loti du studio Kalangu d'aujourd'hui porte sur les jeunes filles célibataires qui tardent de se marier. Dans la société, elles sont pointées du doigt. Dans cette euh, discussion, les femmes du studio Kalongo attirent l'attention des gens sur le fait que le mariage est une question de temps. Écoutons Samira Rouafi, Recha Arimi et Mariam Ade. <laughs> nimin portable blogi sini wasi igmu koi marga wo musko igba aisha wati kunni go wasiyarra an tai go ni banda ai go dai kunno labari yankan go gte portable ira agin gte monim bo agin nafa labari fo dumiyan hmm. ine waina agin gte ima haikul kan gati neran di haraka kayandi mate hasiya wat kul ne gine sedin di labari wo dumi kan sindabo masahangani si hannum ko gade de bofo si amus ko mu bok chandin si masalfo tig fo bono ndi ni kamba dake kan na sannu woci a a walla ay man di tir kulu to ir koy sai nan ni nim bisir mu koy to ay na ay mus koy ga kyan dai bonga masala wadin <laughs> ya ga bisani sai hey man tigal ya nay go ya ay mi di oho he ingano nan ma ke raliya hey raliya aisha hasiya mata gote zakir ba irce wayan irma yegi dicare <laughs> yadin daino wallahi dirman to giri idinoya to mata no mata kwara ba ni samai wallahi ai gono ne da ne gogoi ni higi a a gina <laughs> lokaci aran godai su ban yan mora ka daidai aran zenu aran mani higi a a manti yadin no lokaci dai no manto <laughs> hegaliya hmm. ba hangana se gune ikse benan kano nugo ko yaga ingite nugo wasi mbo kala tonton ay mani diyan wo kani kala han fo yan noya ni chawku bai to kala tonton to raliya ka dai dan kerke noya hasiya wallahi ya wakani teman kanai se kala go man hawi ay bungo dai ne ya kalai bungo beri hayi ifo ne te matkin se nik ni galiya si hal sun agona man hiji boro ne ga bai son irwai bare iga su bannu iga diga su bannu kalama to to iganan kanno a ma ne nor koni ningai gaba ma ne alborkan ga bori ningai gaba ni ya dai to masiya gane ya dai na bai wai bago man tin ngono gutunu ga fallon amani ha inga gaba an ga higi ko ni gir kwarawo bai matkan agoda man tin ngono gusu suba ninga bon sai lokaci kan ninga ga higi matakina kan man tin ngono ga hinga su ban ga bon sai haire yi ga su bana se haire ga hinga su bana se amma man titila suno gun son ba da irko te kan so imni a gwanin ga a wasu da agu so man ingunogo san bukkan dingai kwaga manti ingunoga agu so nonoga am kan dingai kwaga wal mato nonine ya dinna to ko inda irko mai hige koddoga ba funaga mata naga te aisha mata dai te ga bai wadinu to za kan ni nisi hinga bai nimsi ye ga sanne wo dumci son nisi bai hanka inguwa amma ingi binaga magara dinin dori kan hal son a mai hige. so a gingate a gono dinin dan la sabo boyanga ya dinna aisha wallahi ni ga cim ai man mila hal hayo ga to ya ci ne ai man milmo halaga hinga doraga eh, to amma insha Allah hinowa ai siya ga te koyni to wadin ya ga bisa koyni mo dinga ba nimce bakanu ba hannano nin ingine ni kunyi sai amma san ba ma te wanda hinkante ai wanda hinkante mm -mm. nan kan ban diyo ga bali jo wino ya <laughs> am so bai ginga gwarai te ai gunwara sai ko dem ka ta sai kunya hannu mun tai kwaro kai fa <laughs> Hmm. asiyani ke bok ha gandi ai gogin to ne bumbu a ah, to sani wani rima wasikan zai to fo iga chai mala ha ga to a grand merci aux deux femmes de la rédaction pour ce multiple conseil. À présent, accueillons Maman Ada pour la culture linguistique. Bonjour Ada. Bonjour Habiba. Eh, information shine ina ganin kalmar da za mu bayyanawa da hausa wato information yana nufin labari labari wanda ke isar da sakonni wato wani tushe na, na a rubuce wanda ke ba da bayanai kan abubuwan da za su faruwa kenan kuma labari yana kasancewa wani hanya ta yin bincike a cikin wannan yanayi namu wato labari da ake badawa shine labarun da ke wakana na cikin ƙasa da abubuwan da suka, suka zo a cikin ɗan lokaci lokaci kenan wanda kuma gidajen reduka da kafofin watsa labarai za su bada wato ka dan jarida ana cewa mai bada labari abubuwan da suke faruwa na al'umma da suka shafi tattalin arziki zamantakewar al'umma da dai sauransu kenan a takaice information labari ne Chers auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Ni suna na Walima Ahmadu a nan garin Gegime. Ni mai sauraron Kalangu ce. Ni gaskiya Kalangu suna birge mu yanda mutum baya zaton shi akan shirye-shiryen da suke. Shirye-shiryen da suka yi birge mu kamar shirin mata da yara, al'adu kuma da motsa jiki, da kuma ilimi da kiwon lahiya, da tsaro da tattalin arziki. Muna kira su ci gaba da yi Allah ya saka musu. na wannan gidan radio na Kalangun na. To yana wayo muna kai sosai saboda muna unwani da shi da muna muna saurare ne saboda abin da a cikin duhu shi na hiddo shi sannan sai ka gane harkar duniya wadda take ta bayan ka gane harkar duniya kana tunani akan rayuwa ka haƙƙin talaka tsakanin shi da hukuma ka nan kana samun wani abu wanda a ci gaba saboda gidan radio na wanda koyaushe yana kididiga biye da kan harkar talaka akan talaka ya gane haƙƙi ne akan hukuma ita ko hukuma ana bai da ita akan yadda zai kamata ta tausaya ma talaka akan ga tsakanin ta ga zama da shi to kaga wannan gidan radio sai mu ce mun gode mai saboda mi saboda yana da alfanu gare mu sosai ɗari bisa ɗari sannan muna amfana da shi saboda mi saboda gidan radio na mai amfani ga talaka menene amfani ga talaka duk abin da a cikin duba ka san da shi ba sai a zaka awayi ma kai sai ka san ga yadda yake tahi to kaga kinan gidan radio shine a muhimmanci wannan gidan radio na kalangu don haka muna fata Allah ya ƙara taimaka kuma Allah ya sa a dace. tilbiyar kwarara dai no ayo ba funati to madalla studio kalangu irgo a razama radiya kan sigine ba ne fm arano irgo gama studio kalangu labare labar hanniyanno labar kulkan burma studio kalangu irma tabbatar na kan cim kware no labaro dini dunguri yau no iga te irse irga hangan irgo mai kulki go cimo dir mara be kan cimde no wode assalamu alaikum ni ne mama mustafa daga nan magarya muna sauraron eh, shirye-shirye na studio kalangu wanda fm magarya ke tari take sawa suna fara daga karfe 7 disaster a dinavar suke fara kuma suna shirye-shiryen su da duka yare na Niger, Faransai, Hausa, Zabarmanci da komi da komi muna amfanuwa sosai kwarai da gaske. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous est plus demain à la même heure. Vous étiez avec Habiba Ahmed et Salamatou Kadri. L'édition a été assurée par Adam Adonwaki et Rahila Toussoumana. Et à la technique, c'était Lawal Issa. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web le www.istudiokalangu.org. Passez une excellente journée. Bye bye.